yaa ngi ko gis noonu xale yi ñëw yi nangu nañu base dégg ngeen ba gis ngeen excitation bi. Babs Babs xale yi taal nañ ko yi waxoon nañ ceeg taaluñu ko dégg nga Babs xale yi yàq nañu Ousmane bi. dooma jël. Babs dégg ngeen saagay. Babs vous avez vu l'excitation. la guérilla vous avez vu le décor apocalyptique vous voyez l'adrénaline l'excitation c'est enivrant c'est comme une drogue ils sont dopés vous voyez dopés par le sens de la révolution vous voyez tout ça ça, c'est une jeunesse déterminée. C'est une jeunesse déterminée. Alors, si vous ne voyez pas ça, si vous êtes aveugle, si vous refusez de voir tout ça, c'est que, c'est que, euh, vous avez vu ça c'est comme une drogue une fois que ça vous saisit vous en redemandez encore et encore et encore combat post-apocalyptique <laughs> effectivement un décor euh, un décor surréaliste c'est la guérilla urbaine mais regardez tout ça et ça c'est le fait de d'une jeunesse désœuvrée une jeunesse sans activité qui s'est trouvée une nouvelle euh, idéologie je ne dirais pas un nouveau passe-temps mais une nouvelle activité où ils veulent tout simplement récupérer leur pays. Bien, c'est vrai qu'il y a des actes de pillage que l'on condamne, que l'on condamne nous tous, hein, parce qu'on ne, veut pas, on ne veut pas voir euh, le business d'autres Sénégalais pillés comme ça. Mais ça, c'est tout simplement pour vous dire que c'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne. Une jeunesse désœuvrée qui s'est trouvé une nouvelle activité. Donc il ne faut pas simplement que vous vous trompiez sur le calme, parce que ce calme est un calme relatif. Ça, c'est comme une drogue. Et en ce moment, on peut dire que les jeunes sont en manque. Vous voyez ça Les insultes. Ils courent dans tous les sens. L'excitation, la détermination. Regardez tout ça pour dire à Macky Sall dégagez démissionnez foutez le camp vous n'avez rien fait pour nous regardez tout ça des jeunes qui regardent boire devant euh, la caméra des jeunes qui demandent à être euh, filmés ils n'ont plus rien à perdre ils ont même des lacrymogènes dit le reporter bien sûr on est contre la violence c'est sûr mais ça, c'est pour tout simplement montrer le mal, le mal-être. Ils ont vomi Macky Sall. les a trahis. Regardez ce décor surréaliste. Quelqu'un a dit euh, un décor post-apocalyptique. La guérilla urbaine, la police qui recule. Ça, c'est comme une drogue. Pour la première fois, une jeunesse qui prend son destin en main. N'est-ce pas Le danger avec tout ça, c'est qu'ils ils en voudront plus. Ça leur manque. Ça fait 3 à 4 jours qu'ils ne sont pas descendus sur le terrain. N'est-ce pas Seigneur, yaram dafa tàng fu Vous nekk nii nous bëgg delluwaat loolu laa la bëgg waa APR ngeen gëm bu leen gis nag ni ñi ils sont restés chez eux et vous pensez que c'est fini Regardez ça. Regardez, c'est Hambourg. C'est Hambourg. Regardez tout ça. Regardez le nombre impressionnant de jeunes surexcités. Vous voyez tout ça Voilà. Quand APR tout ça c'est déjà inscrit dans la mémoire collective de tous ces jeunes qui se sont dit ah bon, c'est comme ça qu'on peut faire reculer Marquisal. Ça, ce sont des acquis. N'est-ce pas La victoire est là. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de finir le, travail. Maintenant, il y a des gens comme Karim, Krumhak qui sont pressés, qui veulent finir le travail demain, si possible. Mais je vous dis que ça, ne va pas être facile. Mais, mais euh, tout simplement parce que quand ils avaient eu l'occasion en or le 8 euh, mars, ils n'ont pas, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. elle même là, même là, on ne peut pas dire que Sonko n'a pas pris la, la, bonne décision. Parce que, parce, que, parce que qui peut dire Qui peut dire ce qui aurait pu se passer ce lundi-là Parce que Marquis, était, était, il avait le dos au mur. Hein? Il pouvait, ça pouvait être un carnage. Combien de morts 100 morts 50 morts 200 morts Qui sait D'autres emprisonnements un maquis qui se, radicalise, qui devient un monstre, un coup d'État, personne, personne ne peut dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la prochaine fois que les jeunes sortent euh, euh, en masse comme ça, moi je pense qu'ils ne vont pas reculer. Euh, qu'ils vont pas reculer. Et que c'est ça le danger pour Macky C'est pourquoi on lui demande tout simplement à Macky Sall de libérer tous les prisonniers politiques pour, pour euh, montrer sa bonne foi qu'il est, qu'il est, qu'il a changé, qu'il a appris quelque chose de ça. Mais si Macky Sall n'a rien appris de cette euh, explosion de colère, alors là, on peut, on peut se dire que Macky a perdu la tête. Et euh, le Sénégal a encore des lendemains très, très, très sombres. malheureusement. Voilà. Guy, l'idée li tax ma faire, defuma ko pour propagande